Nous lay tous les internautes nous suivre à travers euh, Fair TV di euh, vraiment une télévision de haute facture sur la sur le réseau internet et on voit exactement ce qui se passe à travers la qualité euh, en termes de production de téléfilm en termes d'information en termes voilà de divertissement donc vraiment nous ngi leen encore ci ce ngeen def ngeen Le métier d'un scénariste est un métier un peu complexe. Bon, je ne suis pas un, majeur major scénariste pour en parler, mais quand même j'ai eu à faire des formations sur le scénario. J'ai eu à faire euh, office d'assistant de scénario sur pas mal de grands films, ici au niveau de Thiès, comme à Dakar. Bon, le métier d'un scénariste, c'est un métier complexe, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que scénario, c'est la base d'un film. Parce qu'un film se base sur une histoire d'abord c'est d'abord une idée. L'idée doit tourner, va être développée autour d'une histoire. pense à la place des, acteurs. Madame, si tu un film, tu deviens un acteur, mais un acteur invisible. Mais tu es un acteur, tu es l'acteur principal, le protagoniste, tu es l'acteur en réalité euh, contradictoire, ce qu'on appelle le, euh, parce qu'il y a le protagoniste, il y a l'antagoniste mais aussi il y a les acteurs secondaires, il y a les silhouettes, il y a la figuration. Donc, on est dans la tête d'une certaine mise en scène, avec beaucoup de personnages, avec une histoire pour se dérouler. Donc, le métier d'un scénariste, c'est le métier d'un génie, c'est le métier voilà, euh, voilà, de la personne qui est derrière le produit fini. Nous avons le scénariste, on peut voir le travail d'une réalisation. Mais le scénariste, exactement, moi, qui a une histoire, moy daw du début ba fin bu scénariste amul film mënul la bon le scénariste c'est comme le dramaturge c'est comme euh, le poète c'est comme le slameur ñom bu ñuy bind des fois ça peut émaner de par la muse euh, parce que mën nga tok ni rek am ben affaire bu ñëw automatiquement ci sa quelque chose qui te ce qu'on appelle en poésie ce qui te frôle l'esprit wala ci discussion man ak yow ñuy waxtaan ni rek am ben idée bu juddu mais scénariste bi moy développer l'idée ba idée bi am un corps manam day am un corps un sens am un début am une fin ne sais à travers la télévision une émission que tu regardes ça peut être un fait divers que tu vois à travers un journal euh, ça peut être voilà euh, dans la rue sur un accident voilà sur un incendie ça peut émaner de mille manières possibles. Même dans la nuit, il peut arriver que tu as des idées qui te passent dans la tête. Donc le scénario, il est tout le temps en perpétuel contact, il est tout le temps en perpétuelle écriture, une écriture d'abord invisible dans la tête, pour pouvoir tout simplement le transmettre à l'écrit. Et là, le moyen déjà un film. C'est ce scénario de euh, je suis scénariste c'est facile de le dire mais mënoo scénariste te quoi ce qui ce qui compose le scénario qui andi loolu c'est que quand ngay développer un film am une idée de départ am nga en réalité des événements qui se passent tu connais le début du film par exemple wala am nga en tête nga comme on le fait dans nos téléfilms donc tu donnes des dialogues comme ça tu tournes, di tourner affaire corps di mais fait que fin bi des fois il y a des gens qui le font je ne dis pas que tout le monde le fait mais il y a des gens qui le font bind nga ko fin un film sur la plateforme déjà internet et autres Vous recevoir des commentaires les gens ont des avis différents et qui se diversifient à travers leur façon de voir le film parce qu'un film c'est un climax c'est une résolution c'est la fin qui importe des fois ce n'est pas seulement le début ou tout simplement le milieu de l'action nous dañuy am le scénariste n'avait pas écrit sa fin il peut être influencé par l'avis des gens qui le regardent maintenant de par ça il peut suivre un avis Pourquoi ça n'aura plus de suspense et que maintenant des fois les fins ce ne sont pas des fins des fois euh, qui qui retient qui accrochent. automatiquement on da ngay ni film bi déjà ça dafa wara parce que ci mais ça mais ça c'est juste au Sénégal que tu vois ça mais dans les grandes productions européennes et autres Mboy dans les grandes séries qui se passent à travers les télévisions européennes américaines et autres quand tu regardes la fin d'une saison tu as soif de regarder la saison suivante je vous donne l'exemple de Game of Thrones ils ont fait huit saisons aujourd'hui on attend la neuvième saison les gens disent que c'est terminé et c'est un film avec un budget de plus de 3000 milliards mais les gens ont envie de regarder la suite parce qu'un film on doit l'écrire on doit écrire le début à la fin dans un film, on n'a pas le droit de pouvoir euh, aller dans l'improvisation. Sinon, ça doit être une improvisation mieux préparée, bien sûr. on ne doit pas improviser dans un film. Parce que c'est une histoire vécue. On est en train de tracer une histoire, l'histoire d'une personne. L'histoire d'une personne, ou bien l'histoire d'une communauté, ou l'histoire d'une famille. On ne peut pas tracer un film où l'histoire n'a pas encore tout simplement euh, pris son apologie. On doit connaître la fin de l'histoire. Comme ça, quand on écrit le début, on doit connaître déjà la fin. Donc, c'est pourquoi, dans un film, il est toujours préférable d'écrire le début et la fin. Maintenant, s'il y a lieu de faire des changements, on le fera. La différence d'une histoire et un synopsis. L'histoire, c'est déjà le scénario, ce que je peux comprendre dans le film. Parce que l'histoire d'un film, c'est d'abord ce qu'on appelle, ça prend euh, départ à partir de ce qu'on appelle l'exposition des faits. Je vous montre comment déjà euh, le corps d'un scénario. C'est d'abord l'exposition des faits. Dans un film, l'exposition des faits, qu'il s'agit d'un film de long métrage ou court métrage ou bien euh, une série, ça doit prendre départ à partir de l'exposition des faits. Dans les 15 premières minutes, ce qu'on appelle l'exposition des faits, moi, fi nga xamanteni ni sétane le téléspectateur l'internaute etc. c'est le moment où il se familiarise avec les personnages du film le film bi mi ngi doog daw tay ci les premières minutes nit ñi liñ ci wara a moy kan papa kan ci film bi kan moy papaay kan kan moy yaayu kan kan mo ray kan kan mo demone fi kan mo defone li c'est ce qu'on appelle la familiarisation avec les personnages lolu lañ wara ñëk xam ci film loolu lañ l'exposition des faits des fois nga un film ñu démarré ko au début Nous avons un waay bu nekk ak jabaram dans les productions européennes ak ay doomam ñu nekk en joie faire tout et autres ñu nekk en joie ñu xam que c'est une famille heureuse maintenant d'un coup am ay bande ju dugg ci kër gi rey jabar ji rey doom ji exposition des faits foofu lay jëlee fin au début on s'est familiarisé avec le personnage Nous personnage en famille en joie déjà dès lors que tu regardes la personne tu peux déterminer le personnage principal du film ou bien les personnages principaux du film ou bien le protagoniste du film madame, qui wara film l'homme avec lequel l'histoire porte sur lui-même d'accord c'est celui qu'on appelle le protagoniste maintenant on connaît aussi ce qu'on appelle l'antagoniste mooy ki nga xamante acteur principal bi mooy de ji bande bi nga xamante ni moo koy jéem de rey wala ou jéem a jël wala moo koy jéem antagoniste d'accord dans un film sous les normes internationales il doit y avoir un protagoniste et un antagoniste je parle pas de notre téléfilm. d'accord bon maintenant le protagoniste au moment où bande bi dans la ci Raina Diabardi, Raina Domdi, c'est le catalyseur ou l'élément déclencheur Je vais développer d'abord parce que la question sur l'histoire et le synopsis développer après je vais revenir sur ta question sur pourquoi le Sénégal on, a des problèmes par rapport avec les, téléfilms européens maintenant le catalyseur ou l'exposition ou le catalyseur ou l'élément déclencheur Moi, en CM2 euh, on est tout le temps on est dans la cour de l'école tout à coup un fou entre dans, dans la cour d'accord et les élèves s'éparpillent partout C'est mooy élément déclencheur bi loolu élément déclencheur dans un film après l'élément déclencheur c'est à partir de l'élément déclencheur ci le ci une ci lay juddoo li ñu tuddee intrigue principale histoire film bi maman et euh, Saliou une histoire mi ngi yeewoo ci ñoom ñaar élément déclencheur histoire bi am après mom lañ tuddee intrigue principale moy l'histoire principale du film histoire bi nga xamante mo waral film histoire bobu nak day am li ñuy ay histoire secondaire maman amna rak bu jigéen bo xamante day tux yamba maman amna ben frère am bu nek en Europe yoy ay histoire secondaire la diggante maman ak ñooñu mais l'histoire principale c'est la vie de Saliou et de maman tu as compris L'histoire histoire bobu histoire secondaire ci les rebondissements dans un film dans une exposition des faits catalyseur ou élément déclencheur un premier rebondissement histoire secondaire judo ci mais histoire secondaire il dañ koy développer quelques minutes dañ koy Moi, ce qu'on appelle un deuxième rebondissement ou on ce qu'on appelle un deuxième pivot en anglais c'est ça qu'on dit les anglais parlent de deuxième pivot les français parlent de deuxième rebondissement premier rebondissement beneen histoire secondaire daal ci judd ba keroog film bi di jeex film bi mi ngi jeexee ci fi nga xamante ni mooy climax bi climax mooy fi bande bi nekkee moom ba pare personnage principal bi ki joué film bi jël ay armam dem seeti bande bi pour rey ko bu ko reyee ba pare loolu lañ tuddee climax dans film li ci topp mooy jeexal film bi mooy la résolution bu bande bi dellu suwaatee këram ñu wanewaat ko muy continuer une autre vie loolu mooy la résolution scénario que je composé exposition des faits euh, élément déclencheur ou catalyseur d'un film premier pivot deuxième pivot climax d'un film et résolution C'est le scénario alors le synopsis c'est un résumé c'est surtout surtout quand envoie un film à un producteur ou bien à un acteur pour qu'il comprenne c'est un résumé Moi, je résumé résumer scénario de façon déchiffrée ce qu'on appelle le synopsis descriptif nga le personnage wane Waré caractérisation des personnages le day exactement l'histoire du film en parlant tout à l'heure comme je l'ai dit les personnages principaux et autres donc pour me juste rek question bi nga euh, la différence entre euh, nos films d'abord les moyens on fait des films on n'a pas des moyens de faire des films raison pour laquelle sur nos films, des fois on a un problème de les vendre au niveau international. Il n'y a que pas mal de gens qui parviennent à vendre leur film sur le plan international. Parce qu'il que d'abord des normes. Le scénario, ça demande du temps. Ça demande une bonne, équipe de réalisation. Et quand on parle de réalisation, on parle tout simplement de tout ce qui tourne autour du film, que ce soit le montage, le décor, la mise en scène, euh, euh, l'électro et, autres, les lumières, c'est tout. C'est le tout, la réalisation. Maintenant, ça, ça demande des moyens pour le faire. Ça demande du matériel de haute facture pour le faire. Maintenant, si tu n'as pas euh, les moyens, ni le matériel qu'il faut, ça pose problème. Et, le, voilà, et nous avons des fois le problème de pouvoir faire des films de ce sens. loolu le tax sunu film yi duñ ko pas comparer avec les films européens parce qu'on manque de matériel et nous, on manque de matériel on manque de moyens mais quand même on fait des films c'est pourquoi ce ce sont des films nationaux, ça, on ne peut pas... Je ne les appelle même pas des films. On fait juste des téléfilms nationaux, mais ce ne sont pas des films. La différence téléfilm et série, je ne sais souvent. Série, nous avons appelé une série, une série. Série, une histoire, là, est mu les mêmes personnages defaat une histoire mu ba yéen même personnage defaat une histoire mu comme comme suñu série corps yi defaat ni muy demee d'accord D'accord du continuité continuité beaucoup de gens qui ci mel Wiri, wiiri wiiri lu ci mel ni film pas démarré Marichou yooyu ay téléfilm le du série une histoire bu am continuité de lañ tuddee téléfilm série la série elle est bouclée il y a une histoire on la boucle après on va sur une autre histoire on la boucle c'est comme Colombo et autres ça ce sont des séries que nga sais a si sax est un scénariste parce que man gis il y a quelqu'un euh, en fait jàngul jàngul mais c'est un scénariste Il bind arabe ñu est et c'est un bon scénariste mais a mais en fait gëstu pas ci scénario norme scénario boo ko jàngul mënuloo le def en fait il faut nga les normes du scénario parce qu'il faut comprendre la psychologie du personnage et même le personnage il y a différents personnages le personnage principal le personnage secondaire les silhouettes et autres il faut que nous xam pour chaque personnage nous xam c'est quoi sa psychologie écrire un scénario ce n'est pas quelque chose de facile parce que c'est un fourre-tout c'est d'abord l'histoire c'est d'abord les personnages c'est la psychologie des personnages c'est le lieu où les personnages évoluent en fait c'est un c'est le fait de créer un environnement où se déroule une activité ou une vie et le sns doit être à la tête de tout le monde. Aussi bien des choses qui sont en réalité euh, inertes, comme les choses tout simplement qui bougent, comme les, personnages. C'est une, image en mouvement que tu dois décrire de par une histoire. donc day y a am ci ay aptitude nga formations, ko wala nga def ci ay sinon c'est partout métier bogus, même si ci as don da tu as war a tu am ci xam pour mën ko def defin bu le découpage technique c'est quand on a terminé le scénario pour dire que le scénario est paré pareil, il y ko a jox aussi scénaristes qui sont bien ou bien un comité de scénaristes nous ñu def une étude ñu le scénario bi def ce qu'on appelle une première correction parce qu'un scénario aussi on l'écrit pas en en une seule fois n'est pas seulement l'avis du scénario qui, compte. Il écrit le scénario, il fait passer le scénario à d'autres collègues qui corrigent, qui lui ramènent le scénario, il fait les corrections, il peut renvoyer encore une deuxième fois, on le renvoie jusqu'à... Parce qu'un scénario peut avoir plusieurs versions, plus de 10 versions, plus de 5 versions. Le fait de pouvoir avoir un produit fini exceptionnel. Maintenant, vous scénario, pareil le découpage technique ne concerne pas le scénariste, ça concerne le réalisateur. C'est le réalisateur qui reçoit le scénario, qui voit les effets de mise en scène. À partir de là, il peut savoir quel découpage il faut avant de faire tout simplement ce qu'on appelle le repérage pour faire son film. Donc, le film, moi, pareil, nous disons que dans un produit, nous avons que dans un polycope, dans une fascule, mais c'est le produit fini qu'on donne au réalisateur. Moi, il le découpage en fonction de ce qui a été écrit la mise en scène c'est le fait en réalité euh, de créer l'environnement pour une séquence d'accord parce qu'une séquence a une vie une séquence a une image d'accord la vie et l'image d'une séquence doivent se prouver par rapport au décor d'abord le décor maman, elle est bureaucrate, ou bien elle est chef d'entreprise, elle joue une séquence dans son bureau. D'abord, le bureau doit représenter le décor d'une femme chef d'entreprise, selon l'entreprise aussi qu'elle gère. Le décor doit pouvoir montrer cela, extérioriser ce que le personnage exprime ou incarne ou interprète. La mise en scène, ça dépend de la séquence. Maman est en colère. Quand on, quand montre euh, maman, que ça soit un plan à découvert, que ça soit euh, une entrée de champ, ça dépend. On doit le montrer par rapport déjà, soit c'est une entrée, on doit le montrer de par son entrée, et être dans une posture d'une personne en colère, ou quand on la regarde, on doit voir que c'est une personne en colère. Ça, c'est la direction d'acteur, mais ça fait partie aussi sur le jeu de la mise en scène. Une mise en scène doit exactement exprimer l'idée de base de la séquence. Quand tu es à, soit à quelque chose comme ça, les personnes qui sont là-bas, quand tu joues une séquence là-bas, tu prends le décor qu'il faut d'abord et tu regardes la séquence selon l'écriture tu fais une réalisation de la séquence comme ça. Le scénariste, il n'est pas forcément aussi un bon metteur en scène. Parce que dans le cinéma, il y a un metteur en scène qu'on engage essentiellement pour la mise en scène. Selon la séquence, maintenant la mise en scène, ce, sont des, ce faits artistiques. Le metteur en scène, c'est lui qui a la vision de réaliser une mise en scène dans sa tête, selon la séquence et la chose qu'il pense qui reflète le mieux exactement la séquence à tourner. En fait, le scénario, c'est d'abord une liberté d'expression. Ça, ça, fait partie de ses hein, de ses droits. Le droit d'avoir une liberté d'expression. Même on est au Sénégal. Le Sénégal a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut la différencier. Maintenant, le scénariste, il a le droit d'exprimer ses idées, sa position. On n'est pas contre. Maintenant, ça, ça devait... Parce que le téléspectateur qui regarde, l'internaute qui regarde, il a le choix de regarder ce qui lui plaît. Maintenant, si tout le monde écrit dans une même position, dans la position, par exemple, déductive, la position d'éduquer les gens, une position instructive, écrire des scénarios pour le but d'instruire. Si tout le monde instruit, il y en a des gens qui ont envie de se divertir. Il y en a des gens qui ont envie de regarder quelque chose vous savez, moi personnellement, moi je pense, à mon avis, je pense que le scénariste doit être quelqu'un qui éveille, qui éduque et qui sensibilise. Ça, c'est mon, mon point de vue. Mais je ne l'impose pas à d'autres personnes. Parce qu'il y a un auteur qu'on appelle Molière, de, la littérature classique, qui disait c'est par le rire qu'on corrige les mœurs. Lui, il faisait de la comédie, mais en même temps, il éduquait les gens de par le rire. On peut faire rire les gens en les éduquant. On peut les amener dans le drame en les éduquant. Mais ça, c'est mon avis. Mais euh, le scénariste aussi, il a cet esprit libre. Il ne pense pas comme moi. Il peut penser comme une autre personne. On a besoin aussi de voir des, des, choses comme ça, des jumences comme ça, des films comme ça. Des gens qui parlent dans la perversion, par exemple, moi, je ne les regarde pas. Je, n'écris pas des choses comme ça. D'autres personnes ne le feront pas. Maintenant, ceux qui le font, ils ont le droit de le faire. C'est la liberté d'expression. On peut faire des films comme ça. Mais quand même, nous avons aussi des normes et des réalités sénégalaises qui imposent des fois que dans des films comme ça, on ne doit pas le faire passer sur les télévisions nationales. C'est uniquement ça. Je ne suis pas seulement scénariste, je suis formateur en art oratoire, puis je en public, en droit. Je suis euh, formateur même déjà dans une école de la place. Euh, ça, c'est mon activité en plein temps. En même temps aussi, je, fais, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis formateur en, entrepreneuriat. Je suis euh, aussi dans une entreprise qui se trouve aussi aujourd'hui au niveau de Capscreen où je fais le télétravail. J'ai été le responsable de la communication de Djembering Agrobusiness. Euh, voilà, je suis dans le monde de l'entreprise, je suis dans la formation et je suis aussi dans, dans le film. Maintenant, là-bas, j'ai fait office de scénario. Je suis aussi acteur, j'ai joué pas mal de films bon voilà, des fois je suis dans la technique, mais je ne suis pas technicien de formation. Je ne connais rien du tout. Je suis scénariste, c'est ça ma fonction, et acteur dans le film. Mangri les de la maman si émission B droit et devoir et c'est un grand plaisir aujourd'hui d'être l'invité de cette prestigieuse émission qui est vraiment suivie partout au Sénégal euh, par ricochet permettez-moi de remercier de féliciter d'encourager Céline Medoune borom à qui vraiment on voit à chaque fois qu'il fait des choses exceptionnelles dans le cadre tout simplement de l'audiovisuel en engageant des jeunes. Déjà, il participe tout simplement sur euh, euh, l'autonomisation des jeunes, sur l'employabilité des jeunes. C'est quelqu'un vraiment de très sociable. Et ça, ce sont des choses que je ne pouvais pas manquer aujourd'hui de signifier à travers ce plateau. Et je remercie aussi toute l'équipe de Fair TV d'être venue à Thiès voilà, pour euh, venir prendre des interviews et, et l'activité tout simplement qu'il y a quand même aujourd'hui. Félicitations à vous et mes encouragements.